Donc, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre chargé des institutions, Monsieur le àndal yëpp ñu ñu xam bu baax a baax di nuyu les directeurs généraux le directeur général de la SONES le directeur général de l'OFOR le directeur général de l'OLAC, le directeur M. Nyohar, le directeur du Dior, le directeur de l'hydraulique, bref, il kenn ñu monsieur le ministre félicitations comme il créé le deuxième tey di bisu gaynde yi nga ñëw présenter ce budget de félicitation bi ñu koy def dañu war a jiital président Macky Sall la ci parce que bala nga ni naam ne fa ca tey ces gaynde ont été mis dans par le président Macky Sall il de rien du tout mbir mi moom boo koy xool loo bañ nit xam ne nopp yoo gudd na président Macky Sall daal am na chance macha allah indi na fi coupe d'Afrique indi na pétrole indi na gaz développé na mbay mi développé napp gi développé sàmm gi développé lépp loolu lu am solo la kon ñu ko ciy félicité bu baax a baax maa ngi nuyu aussi le directeur général de l'ONAS monsieur Mamour Diallo di ko souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. Le président ne s'est pas trompé. Quand vous avez été accusé, il vous a enlevé. Quand vous avez été blanchi, il vous remet sur l'administration. Sur M. Mamoud Diallo nous répète, Pakal le petit Mais quand l'arrêt du 29 juillet 2021 est sorti, qui vous a totalement blanchi, il vous a remis donc à la tête de l'ONAS. Je dis ce très peu parce que nous avons souffert de contre nous avons souffert de mensonges et nous aurait pu vous donner autrement, mais je suis sûr que le président y pense. Monsieur le ministre, c'est Mbaye qui loo amul xam-xam amul personnalité et j'en suis fier parce que je suis socialiste comme toi. J'en suis fier parce que je suis de bien comme toi. Monsieur le ministre, j'ai des soucis de Alimi. C'est heureux que je suis accompagné, mais par des par une citerne. Mais il faut aujourd'hui urgemment que ce courage là soit réalisé. J'ai des prospects fermes et un bon suivi de nos jeunes frères Alpha Baila et je les remercie. Monsieur le ministre, je voudrais aussi saluer le secrétaire général de l'ONAS, Ousmane Kamara nous avons beaucoup de problèmes à Yoff, de problèmes d'assainissement. Parce qu'au-delà de lundi, moi j'habite à Yoff, oui j'ai ma famille, j'ai ma maison, mais vous savez le problème que nous avons, le maire est là, c'est que Yoff nous notre pouvoir d'achat, ce qui diminue notre pouvoir d'achat, c'est les fosses sceptiques. Vous avez chaque semaine un camion de force qui vient émettre au minimum 60 à 80 000 francs. Vous le faites quatre fois dans le mois, mais c'est la moitié de votre salaire pour le Sénégalais lambda qui est parti. Il est temps que y ait un système d'assainissement. Le président Bondo a parlé tout de suite de Yoptomo, ce n'est pas seulement Yoptomo. C'est tout Yop qui n'a pas parti de part. Moi, je n'avais pas peur, j'avais de Yoptomo, mais là-bas aussi, on a des problèmes d'assainissement qui aujourd'hui nous posent énormément de problèmes. Monsieur le ministre, nous, c'est la vie L'assainissement, c'est la dignité. Les possibilités dans les villages. Multipliez-les. Donnez de bons quotas aux communes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la déforestation dans nos villages. Et mis quand il y a des petites forêts. C'est là où se réfugier. Mais les certains, pour faire le besoins. Aujourd'hui, il est indispensable que dans chaque domicile, il y ait une toilette. Et vous êtes en train d'en faire beaucoup. Et je pense qu'il faut l'accent. Monsieur le ministre, tous les Sénégalais, vous voyez, c'est l'un des budgets les plus calmes depuis que nous sommes là. Je pense qu'on est en train de prendre conscience du vrai rôle des députés, de ce que nous représentons pour le peuple sénégalais. Parce que pour vous, nous le mandatés. Nous élire, nous avons un travail de rafet, travail de jet, travail de correct, reconnaître les de qui nous, nga xam ne matul ñu reconnaître ko li ñu war a doon li ñu wax ko waaye nag la finalité reste toujours encore c'est le vote du budget et je crois qu'aujourd'hui quand avec cette satisfaction des Lions ils vont évoluer ils vont évoluer en votant ce budget Mais serait-ce que pour cette belle victoire que les Lions que les Lions viennent donc de donner au peuple sénégalais nous encourageons ces Lions-là de venir ñaanal yàlla gàtt gàtt demi final yàlla mën na ko yàlla na ko def borom réew mi digle leen te toutes les conditions sont réunies Macky Sall daal la ñu waxoon ci séeréer rek fañu fañu fañ fañ ca wa caa caa fañu fañ fañee ca wa caa